sommes vendredi 27 décembre 2024. Auditrices et auditeurs des médias partenaires du studio Kalangou, bonsoir, bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité de la semaine. Je suis Nefis Adam Sirfo au micro. Trois sujets au menu de notre émission. Poursuite des combats du sabre national Cocoa 2024 à Dosso. Il sera question de faire une analyse du déroulement des compétitions. Ensuite, la pénurie de carburant dans plusieurs station service de la ville de Niamey en début de semaine. Enfin, le Collège des chefs d'État de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel qui a décidé ce 22 décembre de mettre en alerte maximale les forces de défense et de sécurité des trois pays et de déclarer l'espace confédéral comme espace unique d'opération militaire. Pour décrypter ces faits, je reçois Abba Armi, journaliste à la radio alternative. Bonsoir, monsieur Abba. Bonsoir, monsieur. Ousseini Issa, journaliste indépendant. Bonsoir, doyen. Bonsoir. Et Abdoulaye Soumana, journaliste indépendant. Bonsoir, Madame Nafissa. <clears throat> Bonsoir à tous et bienvenue. Les combats de la 45e édition du championnat de lutte traditionnelle se poursuivent à Dosso. Pour cette 45e édition de la lutte traditionnelle, en raison des contraintes budgétaires pour réaliser les vérifications sur les dopages, le comité en charge de la question a choisi de privilégier la sensibilisation auprès des délégations participantes. Pour plus de précisions, écoutons Issifu Alio, secrétaire permanent de l'organisation régionale dopage Afrique. Il est au micro de notre envoyé spécial Salamat Kadri. Nous avons commencé nos sessions de sensibilisation et d'éducation il y a près de 4 ans au niveau de chaque édition du sabre national. Dire que est-ce que le message a passé, vraiment je ne peux pas l'affirmer dans la mesure où les sensibilisations doivent être suivies de contrôle antidopage. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas eu à faire réellement de contrôle antidopage sur les sportifs en compétition. On ne peut pas parler de cas sans contrôle il faut effectuer soit le prélèvement d'urine ou de sang, l'analyser au laboratoire. C'est à l'issue de l'analyse qu'on aura, n'est-ce pas, les résultats. Donc, on n'a pas fait ce contrôle. On ne peut pas dire qu'on a des cas. Nous espérons que les messages que nous avions passés durant ces quatre ans, au moins les sportifs, leur encadrement et le grand public ont eu à retenir certaines choses, notamment danger qu'ils courent en prenant, n'est-ce pas, des substances dopantes. Alors, vous venez donc euh, d'écouter Issoufou Alio, le secrétaire permanent de l'organisation euh, régionale antidopage à Afrique. Alors, les combats de la 45e édition de ce sabre national se poursuivent avec des nouvelles réformes, avec le code qui a été euh, revu. Aujourd'hui aussi, les, le contrôle antidopage qui n'est pas fait pour des raisons financières, comme il vient de l'évoquer. Le, de Je commence avec vous, Arimi quel commentaire alors avant d'en arriver sur le déroulement de ces compétitions Oui, euh, je suis euh, content qu'il parle que de euh, sensibilisation. Hmm. Parce que il faut d'abord que le public soit sensibilisé, les sportifs soient eux-mêmes sensibilisés, leurs encadreurs sensibilisés avant d'appliquer quoi que ce soit. Hmm. parce que les règles où les résultats des contrôles antidopage sont euh, très, euh, comment dit, très fermes. Hmm. Euh, il n'y a pas d'un pas en arrière, machin, parce que euh, malheureusement, nous sommes dans un contexte où nous tous, on prend des produits de la pharmacie par terre, n'est-ce pas euh, Koga, quoi, cold, machin, surtout par cette période de froid. Hmm. Or, la plupart de ces produits-là, n'est-ce pas, euh, l'athlète qui fait le test peut tomber tout de suite positif. Hmm. Et donc, euh, c'est vraiment à long terme qu'il faut envisager, en tout cas au moins à moyen terme, c'est-à-dire d'ici euh, l'édition prochaine. Euh, parce que oui, je sais que cette commission existait déjà, mais ils ont bien fait parce que bon, à quelque chose malheur est bon, c'est pour moins manque de moyens, semble-t-il. Mhm. Mais il faut vraiment très faire faire très attention mhm. parce que le l'athlète lui-même souvent il n'est pas conscient. Euh, souvent on a beaucoup de personnes euh, euh, qui ne sont pas professionnels, qui ne sont pas même instruits parfois, mhm, mhm. n'est-ce pas Prendre à ça pour rentrer au stade parce que tu n'es pas en forme, ce n'est rien pour eux. Et les gens, même pour des maux de tête, pour un petit, une petite fièvre, c'est toujours des produits généralement prohibés que les gens mhm, prennent. Mhm. Donc, euh, il faut euh, sensibiliser davantage. À mon avis, ils doivent être au niveau de toutes les compétitions, surtout en ce qui concerne la lutte traditionnelle, la Coupe euh, RTL, président de la République, mhm. machin. Donc, pour que les gens soient sensibilisés, parce que trois mois après encore, ça peut répondre positif. Donc vraiment, je crois que c'est une très bonne chose mhm. euh, de sensibiliser avant de passer. Sinon, euh, les cas positifs seront très euh, relevés et au cas où quelqu'un qui est positif a le sabre, imaginez ce que ça peut faire. Oui, aujourd'hui, s'il n'y a pas de contrôle de vérification des dopages, quel pourrait être l'impact Malheureusement, ça c'est quelque chose. Euh, le mal est là en mm. réalité. Mm. Le mal au niveau des sportifs, on peut être sûr, mais c'est au niveau de toute la population. Euh, la consommation euh, de ces produits, n'est-ce pas, qui sont certes prohibés, mais théoriquement, parce que dans la rue, aujourd'hui, dès que je sors à la porte, je peux, avec mes 100 francs, je peux trouver quelque chose contre le rhume. Euh, qui peut contenir des substances mhm. prohibées, mhm. n'est-ce pas Et en cas de test, mon test sera positif. Mhm. Et donc, il faut faire très très attention. Oui, c'est une très bonne chose parce que euh, la drogue, c'est vraiment l'ennemi du sport. Euh, on dit un corps, un esprit sain dans un corps sain, mais les deux, on peut d'un coup le manquer en consommant euh, la drogue. Oui, c'est très dangereux, mais il faut sensibiliser nos sportifs. Mhm. Euh, et ça veut dire que nous tendons quand même vers euh, la professionnalisation. C'est une très bonne chose. Alors, Ousseini Issa, la lutte traditionnelle qui se poursuit dans la région de Dosso à la date d'aujourd'hui, quelle est votre analyse ou, appréciation des, compétitions qui se déroulent sous, des nouvelles réformes tout à l'heure, sur cette histoire de dopage-là, mm on ne peut jamais éliminer ça. Même au niveau mondial, ça pose problème. Mm. Les grands joueurs, ils sont confrontés à cette situation-là. Mm. N'est-ce pas A Après, autre raison, dans nos pays où les gens n'ont pas accès à des médicaments de qualité. Les gens, ils achètent les médicaments dans la rue. Mm. Maintenant, concernant le déroulement euh, des compétitions, je constate tout simplement que il y a beaucoup de surprises. Telles que Il y a beaucoup de surprises, c'est-à-dire que ce n'est pas statique à l'époque la lutte, c'est que on connaît déjà ceux qui vont se retrouver vers la finale, hmm. c'est-à-dire à, l'issue des, comment on appelle ça, à l'issue des phases euh, éliminatoires. On connaît déjà d'avance qui sont les lutteurs qui vont aller maintenant dans, la, phase fin, que soit la demi-finale, série, mhm, mhm. c'est-à-dire les euh, quarts, quart de finale, demi-finale. On connaît déjà il ne tombe pas. Mais, année... on a vu de plus en plus que la donne a changé. Mhm. En dehors de Isaac Isaka, qui est là debout, qui terrasse à tout vent. La donne a, changé, c'est-à-dire donc euh, aujourd'hui il y a assez euh, de bons non, non, il y a toujours des surprises. Mhm, mhm. On est en train d'assister à des surprises, des lutteurs auxquels on ne s'attendait pas, qui sont en train d'arriver. Au niveau comment ça s'appelle, des, compétitions euh, régionales, hmm. c'est-à-dire les compétitions régionales, on constate que des régions qui, à l'époque, ils, n'arrivaient même pas, dès la première journée, ils n'ont aucun lutteur, ou la deuxième journée, ils n'ont aucun lutteur, on constate que de plus en plus, ils ont des lutteurs, qui tiennent debout, pratiquement jusqu'à vers la finale. Hmm les, les, les, les régions où, d'habitude, ils vont jusque vers la finale, jusqu'à euh, jusque vers la phase finale, euh, comme euh, mhm. compétition régionale. Ils vont, oui. C'est la région, c'est par exemple la région de Zender, elle est, déjà éliminée. C'est déjà éliminé mhm. parce qu'à à, l'époque, la... région de Zender, c'était quand même la région de Zender, on ne peut pas dire, dès mhm. la troisième journée ou la quatrième journée, qui a plus aucun lutteur. La région de Diva à l'époque, la première, journée, on a éliminé tout le monde. Mm. Mais on assiste de plus en plus. Bon, ce qui explique ça, c'est que souvent les lutteurs, dans les phases euh, éliminatoires, c'est-à-dire pour constituer l'équipe, c'est des lutteurs qui viennent de, ces, régions-là. Parce que tout simplement, la personne a trébuché. Même s'il est compétitif, il est technique, on considère que non, il faut le mettre de côté. Mhm, mhm. Parce que tout simplement, il faut amener des gens qui... Non, voilà un peu la situation telle que je l'examine mhm, au niveau de la lutte. Aujourd'hui, de plus en plus, il n'y a pas une seule région qui n'est pas en mesure de remporter avec un lutteur la, la, la, le sable national. Mais vous, vous, vous, les, les, nouvelles réformes, là, quelle, quelle est votre appréciation Comment vous, appréciez les nouvelles réformes, que ce soit au niveau de la durée qui a été revue et l'appel euh, qui est aujourd'hui euh, à 100 000 francs CFA, oui, tout ça, oui. Euh, 100 000 ou 200 000 100 000, 200 000, 200 000. Il y a 100 000 et 200 000. En appel, c'est 200 000. Oui. En appel, c'est 200 000. mais la réserve, elle la, la réclamation, c'est 100, 000. Alors, ça, ça, ça, dissuade les gens. Hmm. Parce que souvent, ça crée des problèmes. Hmm. Ça dit, ton lutteur, tu sais, pertinemment qu'il est tombé à l'époque, avant ça, avant cette réforme, c'était 20 000 francs, je hmm, crois. Maintenant, on a changé. Maintenant, le montant est consistant. Il faut réfléchir par deux fois avant d'aller. on a vu des <laughs> régions qui ont déjà fait des réclamations, mais qui sont qui est devenu peine perdue. Mais, bien évidemment, bien évidemment, c'est ça les réclamations. Mm-hmm. Et moi, je suis content avec ça. Mm-hmm. Je suis content, mais c'est simplement au niveau. Bon, la lutte, c'est un sport physique, mm-hmm, un combat corps à corps c'est le délai, le temps imparti pour la première tranche. La deuxième tranche, je pense que c'est normal. Parce que mhm. quand deux, gaillards se, se, ça, se, frottent pendant cinq minutes, mhm. ah c'est intenable. c'est intenable. On peut maintenir ça, moi je considère que c'est une bonne mhm, chose. Mais vers la fin, moi je considère que quand on a eu au niveau... C'est 10 minutes, fois 2. 10 minutes fois 2. Je considère que c'est bon. Mhm. À ce moment-là, on ne peut pas se permettre de dire Qu'ils a on a, ils sont morts debout. Mhm, mhm, ah. Ça n'a aucun sens. c'est permis, mais euh, quand même. Euh, en fait, même à ce niveau, c'est deux fois dix minutes, c'est énorme. Hein. Euh, pour les deux protagonistes, c'est vraiment très très fatigant. c'est épuisant et ça peut vraiment euh, amener à des incidents carrément euh, c'est-à-dire c'est plus que les 90 minutes d'un match de, football. Quoi. Mmh, mmh, mmh. Parce que c'est physique, il faut euh, vouloir prendre ce, poids. un, gaillard qui a le même poids que toi, avant de le faire tomber, c'est extrêmement épuisant, c'est exaltant, c'est vraiment du respect pour le sportif que de limiter le temps. Moi, je mhm, suis mhm. à 100% vraiment avec ces décisions. Euh, mais aussi, ils ont pris euh, dans les nouveaux textes aussi euh, ont intégré l'élimination, le, la disqualification mhm. des lutteurs qui se rendraient coupables de matchs arrangés, de, combats arrangés. Vous voyez, depuis la deuxième journée, Maradi qui lutte avec neuf lutteurs un de ces lutteurs d'ailleurs phares euh, qui, aurait, qui, aurait, pu apporter beaucoup de points à leur euh, équipe, n'est-ce pas, lui ne, lutte pas et du coup il lutte à neuf parce que non seulement c'est comme un carton rouge dans le, au mm, football, mm, mm. non seulement on le comment on disqualifie, mais aussi on ne le remplace pas. Euh, j'espère que on va lui permettre de lutter l'année oui, prochaine. Il y a également un lutteur de Niamey, je crois, qui a été sanctionné. Voilà, je crois que c'est, ça, c'est, une très bonne chose. Mm-hmm. Mais aussi, je mets un accent particulier, sur ce que Hussein a dit au début, c'est euh, que la lutte, elle est nationale. Mhm, mhm. Euh, les ressortissants de toutes les régions peuvent aller lutter dans n'importe quelle région, c'est une très bonne chose. Mhm. Parce que bon, il y a des régions, euh, c'est comme ça les disciplines. Il y a chaque région normalement a une discipline phare dans laquelle euh, il excelle. Et donc, ce n'est pas le cas, par exemple, pour Tifa, mhm. qui n'a jamais remporté encore, euh, qui dispose depuis un certain temps d'un lutteur, Mansour Issa, mhm. n'est-ce pas, qui n'est pas encore tombé, mhm. alors que les lutteurs de, de, de, de Zender sont tous tombés. Maintenant, l'autre chose sur, laquelle il faut insister, c'est toujours cette question de poids, n'est-ce pas, Vous qui me laisse, oui, qui me laisse sur ma, ma, faim. Vous avez vu, il y a un jeune homme qui a tenu Kadri Issa, euh, Kadri, euh, Issa Kaisaka en, en haleine, en, tout cas en difficulté dans les deux fois cinq minutes, mais mais Isaka Isaka le jour-là a gagné par par ah pénalité. Peut-être que si c'était un jeune homme de son poids, ce petit-là n'allait jamais tomber, n'est-ce pas mhm. Et c'est ce qui sera aussi le frein pour euh, Mansour Issa, mhm. n'est-ce pas Il a rencontré plusieurs fois Isaka Isaka. Il fait comme s'il va le terrasser, mais au final c'est lui qui tombe. Mhm. Parce que deux fois dix minutes, euh, quand il se retrouve à la, après les dix premières minutes, lui, il est fini. Parce que le gars, il pèse presque deux fois lui. Donc c'est aussi ça, c'est des choses sur lesquelles il faut aussi... Euh, Alors oui, Abdoulaye, on vous donne la parole. Quelle est votre appréciation de la poursuite de ces combats <laughs> Ils ont déjà fait L'essentiel, euh, seulement ce que j'ai à ajouter, c'est par rapport euh, à, la mise en, œuvre, n'est-ce pas, l'application du, nouveau code par rapport euh, mhm. à, la, lutte. Mhm. On a déjà vu avec deux, lutteurs qui sont sanctionnés, qui ne vont plus pendant un an qui ne vont pas qui ne vont plus compétir ni au plan national ni au plan international. Donc, euh, c'est une très bonne chose. pour euh, le contrôle antidopage, moi, je dis qu'après 4 ans, quand même, il faut quand même prendre les dispositions, se mm-hmm. donner les moyens pour mm-hmm. essayer quand même, un mm-hmm. temps soit peu, au moins de faire en sorte que, semblant que nous sommes en train de faire euh, ce, ce, contrôle, ça va davantage dissuader. La sensibilisation, oui, elle est très bien, mais il faut quand même passer à l'action quand il est aussi temps. Et on a vu, avec les nouvelles, les nouvelles réformes, il fallait quand même intégrer, intégrer, n'est-ce contrôle, se donner vraiment les les moyens, c'est mm. Oui, alors pour terminer rapidement, Arimi, euh, la lutte traditionnelle prendra fin ce dimanche. Ah, on est à deux jours. Euh, à ce niveau de compétition, quel est votre pronostic Vous avez un ben, pronostic Écoutez, <laughs> on prend les mêmes euh, et on recommence. Ah, je crois que le bulldozer de... de, la région des Armokoy. <laughs> je crois qu'il est difficile de le déboulonner en ce moment. <laughs> il est revenu en meilleure forme. Mhm, mhm. Euh, moi, pour remettre en cause son sabre, j'avais euh, pronostiqué pour Aibo. Mais malheureusement, Aibo l'a rencontré très tôt. Euh, très tôt. C'est pourquoi les deux fois dix minutes, par exemple, c'est très mhm. bien parce que c'est à un moment où les, les, les, les lutteurs sont lancés, mhm, mhm. n'est-ce pas Ils ont lutté pendant une bonne semaine, n'est-ce pas Tout le monde a la forme, tout le monde est resté plus ou moins, euh, la qualité de vie s'est améliorée, ainsi de suite. Et, ben, donc vers la fin, deux fois dix minutes, c'est bien. Mais je pense qu'il va, comme l'année dernière, euh, survoler euh, mais on ne sait jamais. le sport, c'est aussi euh, la surprise. Mm-hmm. Pour ce qui est des pénalités, euh, je suis d'accord, en fait, content que tu reviennes sur l'aspect que ça soit sur le plan national et international. Mm-hmm. Moi, j'aurais souhaité que ça soit seulement sur le plan national. Mm-hmm. Parce que c'est par rapport à la compétition organisée par une instance. Là, c'est des compétitions organisées par le ministère et la fédération. Donc, on peut les sanctionner. Par exemple, au football, si tu prends au championnat un carton rouge, oui, les matchs de la Coupe nationale aussi, tu ne les joues pas jusqu'à ce que tu épuises le matchs, de, mhm. nombre de matchs non joués. Mhm. Donc, c'est la même chose normalement. Il ne doit pas jouer pour les compétitions peut-être organisées par la, la, la, fédération. Mhm. Mais quand c'est un joueur qui peut, porter, qui peut apporter à l'équipe nationale, si on doit jouer contre un pays euh, étranger. Mhm. Mais écoutez, et qu'il a rempli les conditions, vaut mieux le prendre que de. Alors, voilà. on, leur souhaite bonne chance et vraiment que le méritant remporte euh, le sabre 2024. Nous allons observer une courte pause. ça Mansour Issa. <laughs> Euh, Deuxième sujet de ce forum de la presse, le lundi matin, de nombreux consommateurs se sont retrouvés dans l'embarras en constatant une rupture de stock à naissance au niveau des stations-service à Niamey. Ces clients rencontré dans une file d'attente au quartier Intala signale une situation qui a des répercussions sur le bon déroulement de leur activité. Ils expriment leur mécontentement au micro de notre reporter Omar Hamad. Je viens du Séjour 11. Maintenant, je suis à la sixième station. Jusque-là, j'ai pas eu de l'essence. J'ai dû laisser ma voiture par manque d'essence. Nous ignorons les raisons de cette pénurie. Si ça persiste, nous aurons des difficultés à aller au service. Un beau matin, on se réveille, pénurie d'essence. Pénurie d'essence. Aucune communication autour de ce problème. À cause de l'essence, aujourd'hui, on est obligé d'arriver en retard. Vous voyez, et je ne suis pas la seule dans cette situation. On est à 11h du matin et jusque-là, j'ai pas pu m'approvisionner en essence. Ils doivent communiquer, au moins nous dire où, où se situe le problème. Nous sommes venus chercher de l'essence, comme il semble avoir une rupture. Vaut mieux prévoir en achetant quelques litres. Pour le moment, nous sommes dans la ligne. Je ne sais pas si je peux avoir ou pas. Je suis sorti de chez moi en constatant des files indiennes au niveau des stations-service. Alors, le lundi, très tôt, donc, euh, dans les stations-service, on a constaté de longues files d'attente qui se formaient, souvent même avec des bousculades. Euh, Hussein Issa, quel était votre constat Est-ce que cela même a impacté votre quotidien également Ça m'a impacté. je suis à pied. J'ai pendant lundi, mhm. mardi. Mhm. Je n'avais pas une goutte d'essence dans, la moto. Mhm. J'étais à pied. Je me suis posé la question. Je me suis posé la question parce que je ne peux pas comprendre qu'on puisse vivre une telle situation alors que nous avons aujourd'hui la ressource qu'on raffine sur place. Et je ne peux pas comprendre quand il y a des difficultés qu'on ne puisse pas informer les consommateurs qu'on va être confronté à telle situation. Voilà les raisons qui font qu'on va se retrouver dans cette situation-là. Mm, mm. On ne dit rien aux gens. Mm comme si c'est des animaux. Un des consommateurs a d'ailleurs soulevé cette question qu'il n'y a aucune communication. aucune communication. Est-ce que ça coûte quelque chose de dire aux gens, à partir de telle date, il y aura des problèmes, voilà les problèmes qui se posent, voilà les raisons et voilà à quel moment précis on va rétablir la situation. Hmm. Est-ce que ça coûte quelque chose Ça coûte absolument rien du tout. Et c'est pour ça que j'ai dit, et la SONDEP, et SORAS, se foutent des Nigériens, des consommateurs nigériens. Justement, la Soraz a communiqué, euh, soi-disant qu'elle continue euh, d'approvisionner la Sonidep et que de chercher le problème ailleurs. Mais de chercher le problème où Moi, va te savoir où se trouve le problème. Lui, va te donner c'est où se trouve le problème. Ceux qui connaissent c'est quoi le problème. Qui sortent pour dire voilà réellement ce qui s'est passé. Voilà ce qui fait qu'il n'y a pas de carburant au niveau des pompes les stations d'essence, hmm. il n'y a pas de carburant. Hmm. Il n'y a pas que le carburant, hmm. il y a également le gaz. Le gaz, oui. Il y a également le gaz subitement qui a... comment on peut vivre dans l'informel comme ça, dans un pays On parle de la Boussani Zankiankasa. Zankiankasa, la Boussani. Comment on ne peut pas au moins informer les citoyens par rapport à des, éventualités comme ça. Et c'est la énième euh, la fois que ça se produit, où on ne sait pas à quel moment ça va être rétabli. Hum, hum, hum. Vous allez chercher le gaz, on vous dit il n'y en a pas. Vous allez circuler dans tout Niamey, il n'y a pas de gaz. Vous allez circuler dans toutes les stations de Niamey, il n'y a pas de carburant. Est-ce que ça c'est normal Parce que c'est le seul pays où on se fout des consommateurs, comme si ce n'est pas grâce aux consommateurs que ces sociétés la vivent. Alors c'est les consommateurs qui, veulent, qui font vivre ces sociétés-là. On ne peut pas continuer à admettre ça dans un contexte de lutte souverainiste. On, on dit on est dans une lutte souverainiste. Voilà, subitement, un bon matin, on dit il n'y a pas carburant, il n'y hmm. a pas gaz. Il n'y a pas gaz, il n'y a pas carburant. Mais alors, il y a combien de, pendant pratiquement 24 heures, il y a combien de sociétés d'usines qui n'ont pas fonctionné effectivement, Il y en a combien Deux hmm, hmm, Dieu seul sait le nombre de sociétés d'usines et tout et tout qui n'ont pas pu tourner parce que tout simplement euh, comment s'appelle euh, le, produit qui leur permet de tourner mhm, mhm. est, devenu, comment, euh, elle n'a plus. Alors, Abdoulaye Ousseini, tout comme les consommateurs que nos reporters ont rencontrés, sont mécontents vraiment de cette énième pénurie d'essence qui passe sans aucune communication. Vous, quelle est votre analyse de la situation Oui, j'étais également très surpris. Mhm. Il s'était trouvé que j'étais même en taxi. Mhm. ce jour-là aux alentours de 11h, aux alentours de, aux environs de Turaku. Mhm. Et je constate des fils. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui ne va pas mhm. Et le taximan m'a dit, ah, que c'est une, période, de carburant, d'essence. Je m'étais posé vraiment cette question. J'ai dit, ce que Hussein venait de dire, nous sommes pays producteurs et on raffine également ce, cette denrée. Et qu'on vienne à ce qu'on ne manque sans aucune communication. C'est pas du tout gay et c'est encore en rajouter aux difficultés déjà, <coughs> n'est-ce pas, des citoyens. Mm. J'ai vu sur les réseaux sociaux un communiqué, de, la, de, la, C'est vrai que euh, la CNSP et la a été prise à partie par euh, certains, n'est-ce pas, dans, sur les réseaux sociaux. Donc, en lisant le communiqué, la Souras a rejeté en bloc c'est dont il, elle est, elle Il dit que d'abord, la société, n'a jamais cessé de fonctionner. Et depuis qu'elle a commencé à raffiner ses 20 000 litres de carburant, qui n'a jamais été baissé, mmh. et que la société Soraz appartient à 40% à la CNPC et 60% à la CNPC et 40% Hein, à, l'État du, Niger. Et c'est la SONIDEP qui commercialise, n'est-ce pas, donc le carburant. Mhm, mhm. Effectivement, dans leur communiqué, ils ont dit que euh, la SONIDEP avait euh, souhaité avoir euh, un certain nombre de, quantités mhm, de, de, de, trucs, de citernes à, la hausse. N'est-ce pas que la, la, a dit que non, ne peut pas compte tenu du fait que depuis 2023, je crois, depuis 2023, elle a cessé, n'est-ce mhm. pas, la mhm. production du gazole au profit, n'est-ce pas, exclusif du, de, de l'essence mhm. et du, gaz liquéfié. Alors, à qui la faute, à qui la faute Où se situe la responsabilité La SOINDEP aujourd'hui monter au créneau pour dire, bon, pour situer les responsabilités. Est-ce que c'est elle Elle a demandé quelque chose au niveau de la SORAS. La SORAS dit qu'elle elle est, incapable, elle est incapable de satisfaire, mhm. n'est-ce pas, cette demande de la SONIDEP. Mhm. Alors, vous, Armi. Oui, ça m'amène à poser un certain nombre de questions. Mhm. À commencer par euh, notre contact euh, <coughs> direct, à savoir les stations-service. Euh, autrement dit, c'est quoi C'est quelques tonneaux qu'ils ont tous en réserve ou quoi Parce que pour que juste une matinée, euh, subitement, 90-95% des stations ne disposent d'aucune goutte de carburant, mhm, euh, il y a problème. ça veut dire qu'ils n'ont pas de réserve. Mhm, mhm. Ça veut dire qu'ils s'approvisionnent vraiment euh, à compte-coûte, quoi, un truc comme ça. Ça, ce n'est pas bien parce que normalement, ils doivent avoir une certaine autonomie, euh, c'est peut-être par semaine qu'il faut remplir les mhm. réserves mhm. ou quelque chose comme ça. Euh, je suppose que ce n'est pas à coût de 50 000 ou de 100 000 francs qu'ils sont approvisionnés. Mhm. Sinon, on n'a qu'à nous laisser aller chercher nous-mêmes notre essence euh, au niveau de la so SONIDEP et peut-être que les bénéfices vont nous revenir. Ça, c'est un. Deux, la SONIDEP est censée garantir vraiment l'autonomie euh, de la ville de Niamey pendant au moins euh, combien de temps à l'époque Les trois mois, n'est-ce pas Et donc, est-ce que cette réserve-là existe ou pas hmm. Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Au cas où ça n'existerait pas, on est entagé. Parce que c'est vraiment, on se réveille tout un jour, et puis bon, il n'y en a pas au niveau de la SORAS, on fait quoi hmm. Maintenant, la SORAS, ils doivent au moins nous dire que à telle date, voilà le, la quantité de carburant que nous avons pu livrer à la Sonidep, n'est-ce pas Et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils en ont fait. Mais ça, eux aussi ne nous le disent pas. Hmm. Ils disent que juste que ce n'est pas leur faute. Euh, maintenant, c'est nous les donnants de la force, de la farce, la population. On n'arrive pas à comprendre jusqu'à aujourd'hui mhm, encore. Mhm. Et peut-être que demain même, on va se réveiller et il n'y en a pas. Et malheureusement, dans toute cette situation, au-delà de ce manque de communication, euh, selon des consommateurs qui ont voulu garder l'anonymat, certaines stations-service profitent de la situation pour doubler aussi le prix. En tout cas, les taxis avaient déjà commencé mhm, à augmenter le prix. Voyez-vous Chacun profite Ça, c'est très nigérien. On a vu avec l'inondation, quand la route de Niamey s'est coupée, la route pour Zender s'est coupée, et mine de rien, il y en a qui sont mis à vendre en plus de 1000 francs un litre d'essence. Mm-hmm. Ok. Et c'est dans ce contexte aussi qu'on veut lutter contre les enfants qui vendent le carburant dans, dans la rue. Et aujourd'hui, il n'y a aucune alternative dans ce genre de situation. Mais euh, une autre question, hein, c'est au niveau de nous-mêmes consommateurs, hum, hum, n'est-ce hum, pas Beaucoup de gens, le matin, se sont retrouvés, n'est-ce pas <laughs> Ne peuvent même pas venir, comme a, eu à le dire votre euh, euh, interlocuteur, qui, ne peuvent même pas venir au travail. Ça veut dire que nous aussi, bon, c'est vrai qu'on est pauvre, vraiment, on n'arrive pas chaque jour, on met un peu. 2000, 3000, tout au plus. Pas à la portée de tous de faire le plein. Voilà le plein, et puis voilà ce qui nous arrive. Et surtout ceux qui ont les motos, Dieu sait qu'ils sont nombreux. Dans tous les cas, l'autonomie d'une moto, si tu roules toute la journée, la veille, le lendemain, tu n'en as pas. Donc c'est vraiment un problème crucial. Et le gaz, le gaz, on produit ça aujourd'hui. Le prix, euh, que l'État a fixé, les gens ne sont pas en mesure de les respecter. Mais en plus, on en manque. Mmh, mmh, mmh. Mais vraiment, on est dans des problèmes euh, sérieux. Il faut réglementer ce secteur-là, euh, très très stratégique pour le pays en fait. Oui, alors Ousseini, aujourd'hui, que doit-on attendre des autorités dans de telles situations C'est la énième pénurie d'essence en quelques mois. Que doit-on attendre La société, c'est d'abord une société d'État c'est de taper du poing sur la table. On, a, on connaît tous que la, la Sundep a de tout a été une vache C'est-à-dire une, une, <laughs> C'est-à-dire c'est là où on vient, on puise. Mhm. N'est-ce pas On va régler des problèmes parce que c'est de l'argent liquide qu'il y a là-bas. Mhm. De tout temps, ça a été comme ça. Il faut créer les conditions. Parce que quand on dit les autorités doivent, c'est qui les autorités mhm. Celui qui a la tête de la Sondeb, ce n'est pas les autorités qui l'ont nommé. Mhm, mhm. Que doit-il faire Moi, j'ai dit, on doit respecter les consommateurs. Mhm, D'abord, le carburant, c'est à nous tous. N'est-ce pas C'est à nous tous. Le pétrole, l'uranium, tout ça là, c'est à tous les Nigériens. La constitution qui a été dissoute là est claire là-dessus. Les ressources naturelles appartiennent au peuple. On ne peut pas permettre à des gens parce qu'ils sont en position de pouvoir. Ils vont venir puiser dans des caisses. N'est-ce pas Pour aller dépenser. En tout cas, des dépenses privées qui n'ont rien à voir avec euh, des objectifs, euh, comment ça s'appelle, euh, d'intérêt mhm. national pour aller régler leurs problèmes. On souhaite donc que des dispositions soient prises pour remédier à ces genres de situations des pénuries qui interviennent. Qui va prendre les dispositions ah, On, le souhaite. Qui va prendre ces dispositions autorités. Ça arrange tout le monde. ça arrange les gens. Ces genres de situations-là, ça arrange les gens. Nous allons donc clôturer ce sujet. Euh, nous allons observer une courte pause, au Ousseini. <laughs> Dernier sujet de ce rendez-vous, le Collège des chefs d'État de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, a décidé ce dimanche 22 décembre 2024 de mettre en alerte maximale les forces de, défense et de sécurité des trois pays et de déclencher, euh, de déclarer l'espace confédéral comme un espace unique d'opération militaire. Une décision qui intervient après que ces États aient constaté, je cite, des velléités de déstabilisation organisées par la France en complicité avec certains pays membres de la CDAO et de certains Nigériens vivant à l'extérieur du pays. Fin de citation. Alors, Abdoulaye, comment vous appréciez cette décision des chefs d'État de l'AES Bon, pour moi, c'est une décision qui est peut-être venue en retard. Hein. En retard, pourquoi En retard, parce que dès l'instant où l'AES même a été créée pour tenter de juguler la crise sécuritaire, n'est-ce pas, mhm, qui qui mhm. dans le Liptako Maintenant, ils n'ont pas essayé de, de, mettre une force conjointe, homogène, je veux dire. Mais la Confédération Chemin Faisant a été mise euh, sur pied. Mm. On a vu des manœuvres de ces armées, des armées de ces trois pays, avec même d'autres pays amis, en l'occurrence euh, euh, le Tchad, et le Togo, mhm. au niveau de Tilia, je crois, dans la région de, Tawa. On voit des rencontres des chefs d'état-major, n'est-ce pas, de ces trois pays de l'AES. Pendant ce temps, pendant ce temps, l'insécurité, qui était censée être, n'est-ce pas, la cause, n'est-ce pas, donc, euh, euh, de l'arrivée de ces militaires au pouvoir, mm. n'est-ce pas, imposer son dictat n'est-ce pas, régner, mm-hmm. même si par ailleurs, les armées de ces trois pays sont en train de monter en, puissance. Alors, il faut quand même, pour ces trois pays, un peu céder mm-hmm. chacun de sa souveraineté mm-hmm. pour que au moins qu'il y ait une armée de l'AUS avec un seul euh, commandement. Vous voyez, en ce moment, peut-être que chaque pays ne dira pas que, bon, voilà, moi, j'ai été attaqué, je vais aller à la police. Mais si par ailleurs, il y a cette possibilité de traquer jusque dans le pays de l'espace euh, AES, n'est-ce pas, donc euh, les terroristes et les potentiels euh, jihadistes. Alors, j'estime que c'est quand même très bien du mm-hmm. fait fait qu'aujourd'hui, l'ennemi est connu. La France, c'est un ennemi commun que pour le Niger et le Burkina et le, Mali, mais c'est surtout notre pays qui est visé mm. et il est, elle est en train de vouloir faire en sorte que le Niger soit déstabilisé et aujourd'hui ça a été étendu, n'est-ce pas, à l'AES. Mm. Avec, comme nos responsables, les autorités sont en train de le dire, avec la complicité de une partie de sécurité de la CDAO et de certains nous, de, nos autres compatriotes nigériens qui sont à, à, l'étranger, à savoir euh, au, Nigeria euh, et peut-être même euh, au, Ghana. Voilà. Alors, Arimi, aujourd'hui, les forces de défense de sécurité de l'AES qui sont en alerte maximale, quelle sera leur mission Bon, là, le président, comme vous le savez, a à intervenir à l'occasion. Euh, euh, en fait pas à l'occasion mais euh, dans, les, trois langues voilà à la télévision nationale où il a parlé de recrutement par exemple mhm. massif pour renforcer ces forces là c'est vraiment pour parce que les fronts sont multiples apparemment mhm. il a cité la zone des trois frontières euh, là, c'est inévitablement, c'est d'ailleurs euh, le, front le plus ardent pour l'instant. Mais aussi, il y a la zone du W, même si ça fait partie de la zone des trois frontières, mais là, avec le Bénin, euh, avec le Nigeria, d'abord du côté ouest, des problèmes se posent, notamment dans la zone des Birninkebi frontalière avec Gaïa mais aussi au centre du Niger, euh, la zone de Maradi et la zone où le pipeline a été aussi attaqué euh, euh, par des Lakourawa semble-t-il. Mhm. Euh, il y a aussi l'Est qui reste... Euh, euh hein. vraiment un fourneau, même si c'est un tout petit peu dormant, un peu plus calme qu'il y a quelques années. Mhm. donc la zone du lac Tchad, n'est-ce pas, la zone frontalière entre le Tchad, le Nigeria et le euh, Niger, y compris d'ailleurs le Cameroun. Euh, il y a la zone aussi euh, de la Libye, n'est-ce pas, qui reste dans tous les cas un passage, non seulement pour... Euh, euh, l'armement, mais aussi pour d'autres substances, notamment mm-hmm. prohibées. Mm-hmm. Et donc, c'est un pays très vaste que nous avons. C'est le plus vaste, si je ne m'abuse, de l'AES pratiquement. Mm-hmm. N'est-ce pas Il faut donc faire face à ça. Euh, sans compter que nous, euh, jusqu'à aujourd'hui, nous avons relativement le contrôle de l'intégralité de notre territoire. Mmh. Euh, parce qu'il y a des pays de la de l'AES qui n'ont pas ce privilège. Et donc, on doit pouvoir garder le cap. je crois que c'est en cela que d'abord notre armée doit être en alerte, mmh. mais aussi on sait que l'ennemi il est commun. donc c'est il vient généralement du nord, du sud, mais c'est pour attaquer là où ça fait mal et qui regroupe les trois pays. Mm. Et donc, euh, les pays, j'espère que euh, c'était un communiqué conjoint, c'était même si c'est notre le Nigérien, le ministre nigérien qui l'a lu, c'est au mm. nom des trois présidents pays, qui l'a lu. donc c'est pour pouvoir faire euh, face vraiment à toutes ces menaces qui semblent Mm. imminente. Euh, bon, malheureusement, euh, on est venu dans un contexte euh, comme ça. Il n'y a que notre réactivité, notre capacité de résilience, mm. comme on a l'habitude de dire, qui nous permettra de sortir grandi de tout ça. Mm-hmm. J'espère qu'on va parvenir. L'engagement des trois chefs d'État qui ont marqué leur volonté ferme de quitter la CDAO. n'est-ce pas euh, même si dans l'intervention du président de la République, moi je retiens que c'est plus des individus que des États qu'il faut accuser dans cette affaire euh, de controverse, de, de, mésentente avec euh, la CDAO. Alors le défi est énorme pour ces forces de défense et de sécurité de ah l'AES qui sont désormais en alerte maximale. Euh, Ouseni Issa, quel est votre commentaire sur cette décision Moi, je pense que l'alerte maximum, là, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. N'est-ce pas mais c'est maintenant qu'ils ont déclaré. Non, je veux dire une chose. Je veux dire quand ils disent que, bon, voilà ce qui s'est passé à l'occasion de la rencontre, la session de la CDAO du 14 décembre 2024, hmm. c'était pour affiner des stratégies. Moi, je vais dire à partir d'une chose. Dès que tu connais, voilà ton ennemi. Tu n'as pas besoin de dire je suis en alerte maximum. on connaît ce qui se passe dans les zones en conflit on connaît ce qui se passe. Est-ce qu'on a besoin de dire on a, on a maximum Non, on laisse les gens venir, on les massacre. N'est-ce pas On se dote des moyens nécessaires pour faire le travail et de manière propre. On n'a pas besoin d'annoncer tout ça à, l'acte maximum, tout ça là. Hmm. Moi, je dis c'est des discours crus. C'est pas ça qu'on attend. On crée les conditions pour que quiconque rentre, qui puisses pas ressortir. Moi, voilà ma philosophie. Hmm. Et on crée les conditions. Les gens qui ont pris les armes là, tu vas pas venir tuer des pauvres citoyens. Et puis tu vas dire, j'ai déposé les armes et on va t'accueillir à bras ouverts. Non. On te cuisine. Donc, à vous entendre, il faut vraiment des stratégies pour mieux atteindre on cette On te cuisine pour recueillir le maximum d'informations. Est-ce que c'est la meilleure des solutions Non, mais non, mais quelle meilleure des solutions Mais quelqu'un qui allé tuer quelqu'un, un innocent, hmm. des villageois. Il y a des gens, moi j'ai fait ces zones-là. Hmm. Il y a des gens, ça fait 5 ans, 6 ans qu'ils n'ont pas cultivé leur champ. Ils vivent au bord de route, sans possibilité de, de, qui sont devenus des SDF, dans des tentes. Alors, ce monsieur qui a fait ça, si je le prends, euh, non, je le mets au poteau. <laughs> Non, non, mais n'est pas mon avis. C'est comme ça, ça doit fonctionner. Mhm. Ça dit, c'est ça qui dit mhm. Parce que tout simplement, il t'a fait quoi Lui-même, il souffre. Tu prends les armes, parce que tu es en contentieux ou tu es en difficulté avec l'État, mhm. tu penses que c'est le pauvre type, ton propre parent, tu vas aller le tuer pour gagner quoi mhm. moi, je suis de, ceux-là qui pensent que les gens parlent, il faut la peine de mort. Et, et bon, ah, mais vous vouliez dire oui Non, non, non. Euh, c'est juste pour dire que, par exemple, l'attaque qu'il y a eu euh, après, après Terra, euh, le chef de l'État mm. est revenu là-dessus, euh, sur voilà, le mm-hmm. sur le, sur le bilan euh, que des confrères ont donné et qui n'était pas correct. Mm-hmm, mm-hmm. Mais comment l'armée, les éléments de l'armée qui étaient dans la zone se sont conduits Bon, c'est, je crois que c'est la stratégie. Donc le renseignement venant des trois par pays est donc fondamental en la matière. Mhm, mhm. Euh, selon ce qu'il a dit, du matériel adéquat a été acquis, même si ça reste euh, un secret d'État donc, euh, bon, voilà. Donc, j'espère que l'armée est en réalité en alerte euh, déjà et que euh, nous avons confiance, en tout cas, les nôtres qui ont pu maintenir nos frontières relativement vraiment, comment, comment on dit, intactes. Mhm. Et donc, j'espère que ça va continuer. Mhm. C'est ça vraiment. C'est des questions vraiment très délicates, mhm. délicates et il faut les gérer comme vraiment les chefs militaires les feraient. Quoi. Mhm. Non, mais je vais dire une chose. On dit qu'on a monté une force conjointe. Moi, je vais dire une chose. Les voyous viennent attaquer par ici. On informe de l'autre côté. Hmm. S'ils prennent la, le chemin pour aller rentrer au Mali, qu'il y ait des forces maliennes les interceptent, hmm. peut les détruire. Quand c'est vers le Burkina, et que ce soit de manière vraiment systématique, voilà, moi, comment je vois mhm. le, combat. C'est des stratégies qui doivent être adoptées. C'est-à-dire ne pas permettre à l'autre de rentrer sur le mhm. territoire pour aller se cacher. Mhm. Il y a une attaque, ils ont pris cette direction, on informe de l'autre côté, le mouvement euh, se déclenche. Il Pour les intercepter et les détruire. Et de part et d'autre. C'est la seule façon. Parce que c'est une zone. Le Liptako gourmand, là, c'est une zone, on connaît bien la zone, on connaît la superficie de la zone. Mhm. On n'a pas besoin, Ça les imbéciles, ils viennent, ils tuent par là, ils fuient, ils vont de l'autre côté, ils vont de l'autre côté. Non. Nous souhaitons donc une bonne chance à nos forces de défense ah, et de sécurité dans leur mission. Il faut savoir organiser, <laughs> créer les conditions. Parce que mhm. moi, je ne peux pas comprendre qu'on me dise que dans des zones où on dit les motos ne mhm. circulent pas, je ne peux pas comprendre qu'on me dise qu'ils viennent par centaines en moto, tout ça. Non il faut qu'on arrête ça. Merci donc, euh, merci pour vos analyses, commentaires euh, et appréciations. Et c'est ici donc que se referme le forum de la presse de ce vendredi 27 décembre 2024. Merci à vous, doyen Hussein Issa, journaliste indépendant, Abdoulaye Soumana, journaliste indépendant également, et Armi Abba, journaliste à la radio alternative. Chers auditeurs et auditrices des programmes de Studio Kalangou, merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas les programmes des jeunes les samedis et dimanches des 17h avec euh, l'actu des jeunes suivis de tous à la FADA et les forums à Hausa et Zarma les samedis et dimanches à partir de 18h15. La technique est assurée par Seni Saka. Je suis Nafisa Adam pour la modération. Bon week-end à tous.